Madame la ministre, je voudrais commencer d'abord par vous féliciter. Vous féliciter, mais également apprécier et saluer votre engagement pour tous les combats relatifs au respect des droits des femmes, à la non-discrimination et à la protection des enfants. Madame la ministre, nous félicitons également son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir entendu le cri des femmes et pour avoir répondu favorablement. Soyez rassurés, Madame la Ministre. Cette loi modifiant le code pénal et introduisant la criminalisation du viol sera encadrée par les parlementaires et je suis certaine qu'elle sera votée à l'unanimité. Madame la ministre, dans le cadre de l'harmonisation avec les programmes de santé, relatif à la protection de la petite enfance, où il est beaucoup question de nutrition, je voudrais vous demander, en rapport avec votre collègue en charge du travail et celui des infrastructures, d'aménager dans les lieux de travail des espaces genre permettant aux jeunes dames de pouvoir sortir et donner le sein à leur enfant. Parce qu'il n'est pas normal qu'on laisse l'enfant toute la journée nourri au biberon, cela peut impacter effectivement sur sa croissance. Madame le ministre, votre directrice de la petite enfance, notre fille Thérèse Feydiouf, était lundi dernier à Kaolak et elle a dû elle-même constater le taux faible de scolarisation en ce qui concerne la petite enfance. Madame le ministre, nous demandons des efforts supplémentaires pour relever ce taux. Pour terminer, Madame la Ministre, nous avons entendu la promesse euh, d'un projet de loi sur euh, le retrait des enfants de la rue. Nous l'attendons fermement. Mais nous devons nous à l'avance pour que cette loi ne soit pas comme celle votée en 2005 et qui était relative à, à la mendicité, qui a été votée mais qui n'a pas été l'objet, qui n'a pas fait l'objet d'une application. Madame le ministre, nous demandons que cette loi soit bien encadrée pour qu'une fois votée à l'Assemblée nationale, ça soit bien appliqué, parce que la place de l'enfant, ce n'est pas dans la rue, la place de l'enfant, c'est dans les familles. Michel, Madame le ministre ces temps-ci, il y a un phénomène qui commence à revenir, c'est l'immigration clandestine. Madame le ministre, ay lañu ay sœur lañu

politique bi nga xam ne son excellence monsieur le président de la république mu ngi koy jëmale ci jeunes yi xale yi mën di ci bénéficier wu di toog fii bañ a seen bopp ci géej gi bu lool passé nag madame le ministre dinaa la sant dinaa la gërëm ndax dañu cee bokk nga boole ñu ci ñun ñëpp dañ cee bokk nga boole ñu ci looy def di nga ñu woo fooy dem di nga ñu informer buñu ñu am jot ànd ak yow ànd ak yow buñu ñu am jot aussi ñu wax leen ne mënuñoo ñëw mais madame la ministre vraiment ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla et puis di la wax aussi bonne continuation merci beaucoup